alors Mme Asma Doui, euh, responsable politique à Père Fissi de alors permettez-moi tout d'abord euh, de remercier euh, l'imam du quartier M. Doucouré remercier aussi le conférencier pour sa vue éclairée et aussi pour la pertinence des arguments euh, parce que le thème de la conférence cette année, c'était la vie du prophète, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa euh, je remercie aussi particulièrement les habitants de Euh, se sont mobilisés et qui sont venus aujourd'hui ici, en plein ramadan, passer la journée avec nous pour écouter silencieusement ce que nous exposait le conférencier. Euh, donc voilà, en tout cas, aujourd'hui c'était la première édition, c'était la deuxième édition euh, d'une conférence qu'on avait initiée depuis l'année dernière. Alors l'année dernière c'était un peu circonscrit dans le cadre de, de la zone de Gorée. Cette année nous avons voulu élargir, aller au-delà euh, impliquer les quartiers de Ndjolefène Nord, de Ndjolefène Sud, etc., de Citaignard et, même de Dar, on va dire, pour donner euh, à cette conférence la dimension euh, que, notre mentor Mansour veut donner au quartier du Grand Ndjolefène. Donc c'est pour ça qu'on a remarqué cette année une très grande mobilisation, vous avez vu, pu le constater. ce que je pourrais ajouter, c'est que quand on fait de la politique, au-delà de ce qui nous unit et des manifestations qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de meetings, etc., il est important d'y ajouter le cadre religieux. Parce que c'est le volet social et culturel qui fait partie aussi de la vie politique. Et il est important de retrouver les populations dans ce qui les intéresse. Aujourd'hui, on est euh, dans le cadre du mois de Ramadan. C'était important d'organiser cette conférence religieuse-là et d'impliquer tous les acteurs politiques euh, de Ndiolofen. Et, je me félicite de la pertinence de, tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que parmi toutes, luttes, toutes, les luttes se finissent autour d'une table, et d'une table de négociation. Et donc, à un moment donné, il euh, ne faut pas qu'on perde de temps. En tout état de cause, on est tous sénégalais, euh, on aime tous notre pays et on est tous imbus de la même volonté de mener notre pays de l'avant. Donc le dialogue que faisait le prophète, qui était un grand politicien avant tout. Euh, parce que l'islam, c'est avant tout un programme politique. Donc, euh, ce que le faisait le prophète doit nous inspirer, nous acteurs politiques, pour qu'au-delà de tout ce qui nous lie, euh, de nous retrouver tous ensemble, de discuter des situations politiques, etc., et de toutes les problématiques au lieu de, mettre nos enfants dans les rues euh, pour qu'ils se battent, etc., ça n'a aucun sens. Et qu'on doit revenir au dialogue. En tout cas, le président Macky Sall, nous, on sait qu'il est là-dessus et que nous, nous ne pouvons que suivre ces indications-là. Merci, je vous remercie. permet certainement au fils de d'aller même au-delà des clivages politiques Exactement, absolument. En tout cas, c'est ce que nous essayons. Au-delà des clivages politiques, nous sommes tous des enfants de Dieu Donc, euh, le dialogue, on le fait déjà dans le cadre de notre parti, de notre coalition, Beno Et si on peut impliquer les autres, les convaincre, etc., de venir travailler avec nous, on n'hésitera pas une seconde. conférence

Euh, dans le calendrier euh, du Ramadan fii nii si Ndar loolu suñu mbëbët te inshallah gëm naa ne ci si waaw xam nga xam nga jamm ci la lépp xaj jàmm bu amul kenn du tal sax politique bay wax leneen donc euh, jamm ci la lépp xaj euh, comme ça jamm nak ak tok waxtaan ak penco moy mujj danaka bu xex amone ak yep bés bu ñu war a bëggee régler problème bi ñi ñi dañuy toogaat waxtaanaat donc bala ñu koy mujjé mën nañ ko jëkkee donc ak problème bu ñu mënta am ñi ngi ñaan. acteur politiques yi di dajale di juboo toog waxtaan parce que bu ñu waxtaanee rek ay synergie mën na créer et boobaa dinañ mën a gën a aller de l'avant loolu daal mooy suñu bëbët te ñu ngi leen koy ñaan. waaw doomu jëlefeen yi moom benn lañ moom wax ji mooy mooy bëri rek mais doomu jëlefeen yi moom benn lañ léegi moom xanaa comme si ñun moom dans le cadre de APR ñu ngi waxtaan ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi saafante biir. lu ñuy ñaan mooy suñu yeneen acteur yi nga xamante ni nekkuñu fi ñu ñëw xëcc leen boole leen si waxtaan bi gën a yaatal parce que nag euh, li am fii nii si Njolofeen parce ñu seetaanee ba ñu rëccuñ dinañ dóor ñëpp suñu loxo si ak waaw junj nag junj nag moom baax na doy na. <laughs> di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di wax ni di remercier El Hadj Malick di remercier également ñoom moom marañ si ànd ñëpp parce que daaw El Hadj Malick dafa am lu mu initié woon def conférence Gorée. mu nekk wax dëggal une réussite c' est année si ma koy def munuma woonu ñu ne dama bëgg rek incha allah def conférence bi grand ñu ñëpp contente si ànd si ñëpp def suñu loxo xam ni en fait ndamam mooy sunu ndam ndax ñëpp dafa am nu dénk Mansour Faye nekk coordonnateur APR fii nekk ministre maa nekk suñu mentor am nu sant liggéey si njële fii ñu toogal fi donc moo tax lépp lu ñu def rek incha allah dañ si concerté waxtaan ci xool nu mu gën rafete ñu def ko te fekk na ne conférence bi euh, conférencier bi donc di am jaxate am yu mu ci wax si si jéggale ak jëlale comme ñoom dañ nekk si langue politique bi daan dégg lu nekk daan wax nekk mais il faut que leçon yi nu mën jot fay tëjee mooy muñ ak baale ak jégale vraiment donc xam naa ne ñi fi am ñi fi nekk yëpp jàng nañ ci loolu ñu gën a nafar suñu téere ba xam ne incha allah jikko yi mu wax sallallahu alayhi wasallam ñu jàpp ko si tey jii bu demee gën ko jëfe incha allah ba fileeg déwoon xëy na na yenn jikko yoo xam ne ñaaw-ñaaw nekk amoon nañ ko ñu mën ko changer incha